Hop. Chérie, je parle à la fada. Ah, comment tu parles à la fada Mais chérie, regarde l'heure qu'il fait. Il faut bien que je parte à la fada. Mais le plat est à 98% de, te servir. Maintenant, tu veux aller à la fada. Pourquoi hey, le plat, le plat, le plat, là, c'est toujours à la maison. Je, le plat va s'envoler. Je peux retrouver le plat. Laisse que je parte à la fada. Il y a le thé, le premier qui m'attend. Mais voilà que c'est presque prêt je veux juste te servir. Mais tu attends, tu manges avant de sortir. <laughs> Eh oui, le repas. Ni on ici, ni pas. premier non. Tu ne sais pas que le meilleur moment de la fada, c'est le service du premier. Ah, ah. <laughs> Eh, Non, maintenant, ce que je veux de toi, timing. Mm Je ne vais pas durer, je vais juste partir, poser la fada, je prends le thé et puis je reviens. Son premier là Ouais, le premier. Ah, ok, il faut aller. Tout compte fait, quand tu vas prendre le premier là, tu n'auras pas deuxième. Eh, tu vas revenir. Je vais même ma je suis chez moi, non Ok, d'accord. Je suis dans ma propre maison. Euh, mon premier que le dernier. Masha'Allah, serre-nous le dit. avant que Midi Aja ne vienne. Voilà, quand on parle de lui, on va s'accueillir. Elle la fada. la grande fada, la fada de la base. Tout le reste black. Moi, tu croyais qu'il allait empêché de venir prendre le premier thé. Et je te traitais même de Mijihajia. Hmm. Eh, hey, je te de Hajia. Moi, Hajia, tu as très bien regardé. Est-ce que moi j'ai l'air de quelqu'un à qui on peut empêcher de sortir Calme, hein? on sait ça. Hein. Voilà, on ça très bien. Mais moi, ma femme, même pour aller, même pour me regarder là, elle me demande la permission. Calme, on sait ça. Hein dès que tu auras fini de prendre le premier, je sais que tu vas, tu vas le chemin, c'est pas le D'accord, on verra. C'est aujourd'hui que je vais vous montrer qui porte la culotte dans cette maison. Vous allez voir, Si à 2h ou bien à 0h de la nuit, je vais rentrer. passez moi, le thé là, je vais siloter, me reposer bien ici. Que ça soit 21h ou 100h, en tout cas, je l'attendrai ici. Mon premier, quatrième c'est moi, ouvre. C'est toi qui Hein Toi qui Ton mari, évidemment. Marie Oui. Pardon, s'il te plaît, ouvre. pardon Je n'ouvre pas. Ouvre-la, tu vois pas qu'il fait tard Je n'ouvre pas. Tu n'ouvres pas Oui. Pardon, ouvre, Je n'ouvre pas. Ouvre, on va se... Tu veux que je dorme où Tu vas dormir dehors et derrière, attends, tu vas voir. Tiens, ça là, c'est la Ah, tu es sérieuse là Oui, oui. Ça là, c'est hey, eh, Remets ça. Ouvre. Donc tu es sérieuse Je suis très sérieuse. Plus sérieuse même. D'accord, on va régler ça demain. D'accord. Tu verras. là Oh non, non, non, non. <laughs> Oh, fais quoi ici J'ai pas compris, je fais quoi Je suis à la devanture de ma maison, c'est quoi ça Je m'a dit de voir. Tu fais quoi ici Eh, chef, maintenant, ta Je suis à la eh! devanture de ma maison. C'est à qui tu parles Je défoncer tout de suite. Non, non, ne défonce pas. Défonce Qu'est-ce qu'elle dit C'est mon départ. Tu as dormi, non Tu as dormi. pour te coucher. Couche-toi. Eh! Je dit couche-toi. Mais coucher. Hé, hey, Tani. Bruh. Quoi coucher là-bas Une Dis-moi Le petit n'est pas là comme m'enlever aussi. Non, vraiment, c'est pas simple. Voilà, le pays là, il est en train de se faire. Balayer le cabot costaud. Noni